d'abord, euh, c'est un engagement citoyen. Euh, c'est Awa, c'est les deux Awa, c'est Mariem. Ça, veut dire quand je donne des noms, euh, ça veut dire que c'est les noms qu'on peut mettre sur euh, toute population qui est au niveau de la commune. C'est un engagement citoyen, mais vous savez qu'au niveau de la commune, dans le cadre du programme de riposte communale, il a été mis en place des comités de veille dans chaque quartier, dans nos 17 quartiers. au, niveau de HLM 5B, euh, nous avons ce comité de avec des jeunes, avec des femmes, avec euh, notre imam, les représentants du curé, euh, les élus locaux, les Badjanogor et surtout aussi les personnes ressources. Et aussi, surtout, ce, qui nous plaît le plus dans ce comité de nous avons deux jeunes qui ont été volontaires, c'est-à-dire une jeune qui, qui, est dans la santé, qui s'est portée volontaire, a apporté son soutien à la commune et qui habite HLM 5. Et nous avons aussi une autre jeune qui est de la Croix-Rouge et des bonnes volontés c'est-à-dire euh, des personnes qui ont laissé à un moment donné leur travail, qui ont des entreprises pour se consacrer à cette lutte du Covid-19. Et au niveau de HLM 5 b euh, nous avons dit que nous avons des challenges. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, Alamin, Dieu nous, a, Dieu nous a fait la faveur, je ne sais pas comment l'expliquer, nous sommes à zéro cas. Et nous avons dit aujourd'hui, notre devoir pour rendre grâce à Allah, c'est de nous préserver pour que ce zéro cas-là puisse perdurer jusqu'à ce que le Covid puisse en aller du monde. Mais quand on parle de zéro cas dans mon quartier, par exemple, ce n'est pas parce que nous avons zéro cas. C'est-à-dire même dans les quartiers comme Niaritali, où il y a déjà un cas, il faut que Nyaritali, le quartier Niaritali puisse aller vers zéro cas dans mon quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commune des HLM est à zéro cas aussi. La commune de Biscuiterie aussi doit être à zéro cas. Le Sénégal en entier, avec les cas aujourd'hui communautaires, euh, les cas contacts, euh, les cas guéris, les cas qui sont dans les hôpitaux, qu'on puisse dire on est allé maintenant à zéro cas, comme c'est possible dans certains pays. Et donc nous avons travaillé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons fait une journée de sensibilisation parce que tous les matins, on s'est organisé sur un programme. Tous les matins, nous faisons de la sensibilisation. D'abord avec les populations, mais surtout, surtout avec les lieux de commerce, c'est-à-dire nos, boulangeries, euh, les boutiques. Euh, nous avons presque fait toutes les boutiques de notre quartier et même de d'autres quartiers en fait. Parce que la boulangerie ne se trouve pas dans notre quartier, mais se trouve dans HLM5. Et nous avons dit que HLM5, c'est un seul quartier. Donc ce que nous faisons, nous, le faisons dans 5A et dans 5B. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il fallait qu'avec le port des masques obligatoires, il fallait que HLM5 reste dans le respect des mesures et des mesures barrières. Donc quand on parle de 100% masque, un habitant, un masque, c'est pour répondre à ces critères et justement aller euh, accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale euh, qui ont demandé que le port du masque soit obligatoire. Donc pour ce faire, il faut doter la population de masques, et surtout pas d'un masque, mais de deux masques au moins qui sont lavables, et après les traiter à la vapeur, et surtout aussi faire de la sensibilisation aussi sur le port des masques, parce qu'il y a une manière d'enlever les masques et de les porter, justement ne pas toucher la partie euh, centrale qui est considérée comme une partie impropre, et l'enlever, euh, le laver et le repasser. Et ensuite, nous avons aussi d'autres programmes qui sont à venir, parce que nous avons euh, collecté du, matériel, euh, par exemple des savons, de l'antiseptique, etc. Nous allons mettre des, bassines dans certains coins du quartier. Mais surtout, nous avons dit qu'il nous faut aussi protéger les enfants. Nous avons nos enfants qui ne sont pas allés à l'école, mais nous avons vu quand même nos enfants qui sont dans la rue. Et ces enfants-là, ce sont là où nous sommes actuellement, c'est le lieu privilégié des, talibés. Voilà, les talibés ici, euh, de 7h à 9h30, tous les talibés sont là. Ils viennent de l'autre côté, certes, dans une autre commune, mais ce sont nos enfants à nous parce que quand, dès qu'ils se réveillent, ils sont là. Et peut-être c'est avec le Covid-19 qu'ils ne sont pas là en ce moment, ils partent très tôt. Donc il fallait aussi travailler sur zéro talibé au niveau de HLM5. Et ça aussi, c'est un autre programme sur lequel les femmes sont déjà allées au niveau de ces structures-là pour voir euh, comment faire justement pour les retenir, pour les rester confinés. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est le, problème des enfants. Le confinement de ces, ces tous êtres qui sont tout petits, mais qui peuvent faire aussi circuler le virus. Vous savez qu'il serait improbable et quand même catastrophique que les jeunes puissent, euh, être confinés alors que, alors que les enfants sont dans la rue. Et c'est des, des, qui peuvent propager le virus. Donc il fallait faire ce que nous levions pour apporter une touche aujourd'hui, ce n'était pas seulement euh, d'aller donner des vivres, etc. C'était de sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, faire à manger, oui, mais il faut être sain d'abord. Et au Sénégal, nous savons que membres du comité de veille, et, dans le comité de veille, il y a des élus. Voilà, je suis élu, il y a d'autres élus qui sont là. Et d'abord, ce qui a été fait, le premier acte qui a été posé, et là, c'est l'acte communal, c'est-à-dire il y a eu un arrêté municipal qui a été respecté, et l'acte municipal a été euh, renouvelé. Malheureusement, dans le deuxième cas, nous avons vu que euh, l'arrêté communal n'a pas été respecté tout simplement parce que nous avons eu la réponse avec le sous-préfet qui disait que nous sommes en état d'urgence. Ils ont laissé faire en réalité. Il y avait un arrêté qui n'a pas été respecté par les populations, par, les commerçants. Mais nous avons vu que les autorités euh, supérieures hiérarchiques qui pensent qu'avec l'état d'urgence, le maire ne peut pas prendre d'arrêté. C'était leur revenu de droit de faire un arrêté. Et nous, ce que nous avons fait, on puisse comprendre qu'en fermant le marché, c'est d'abord eux qui sont protégés. C'est d'abord eux qui sont protégés c'est pourquoi nous avons demandé l'arrêté, euh, la, fermeture provisoire, parce que le, gouverneur qui, dans un communiqué, parlait de marchés non essentiels et qui disait au maire, allez-y, les marchés non essentiels doivent être fermés. Donc nous avons un marché qui est presque non essentiel, avec des producteurs des denrées alimentaires. Nous avons fait des propositions aussi au maire, que nous avons données au maire en tant que comité de veille, en disant oui, il faut fermer les marchandises non essentielles, il faut laisser les denrées, mais il faut trouver des espaces pour qu'on puisse acheter de la viande, euh, prendre nos légumes, euh, le poisson, etc. Donc le comité de veille a travaillé en ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons vu euh, depuis hier qu'il y a d'autres mesures qui ont été, prises sur, des jours pour les marchés non essentiels, pour les produits non essentiels, et d'autres jours pour des produits essentiels. Et le week-end, en réalité, les marchés sont tous fermés mais li ñu def aussi dañ ko def fii si gox bi nga xam ne ñun fi lañ dëkk muy HLM 5B HLM 5B ñun yor comité de veille bu nga xam ni euh, yàlla dafa def ñu jité mais ñu nekk ci ak suñu ay naataango nekk ci ay jeunes suñu naataango yi suñ ko waxee mooy élus locaux yi nekk ci ak délégué quartier nekk ci imam nekk ci ak représentant curé nekk ci ak bàjjenu gox mais nekk ci ak askan wi parce que askan wi ñun ñoo ñu gën a amal solo parce que ñi nga xam ne dañu fa nekk ak nomba tànk askan wi nga xam dañu jóg kenn laaju leen dara ñu jóg ñëw bokk si ñoo am solo kon ñu nekkoon ci ñu ne HLM 5 nag dafa ye dafa teel a yeewu depuis Covid bi jóg si ay jigéen ay mag ay ndaw ñu ni nañ jóg waxtaan ak suñu ay doom nañu jóg aar ñu gox ñuy wax zero cas si sama gox. zero sama gox nag doo du ay waxi kase zero cas sama gox ci doxalin la zero cas sama gox si sensibilisation la surtout parce que soo bëggee mu bañ dugg xam nañu buntu yëpp yi nga xam ne foofu la Covid bi jaar corona. duñ ko gis mais xam nañ ko te comme xam nañ ko nañ ko tëjal buntu yëpp ndax gan gi moom soo ko bëggul jël da ngay fexe bu a jaar xam nañ ko mooy si diggante raxas yi ba mu set takk ay masque dadani ko bañ a dajaloo mais surtout aussi di bañ génn si génn bu nga xam ne amul solo ku siy génn rek day fekk ni loolu dafa obligatoire moo wax nga wax génn ñu ne ko ñu nan la ñuy def te comme euh, fi mu nekk nii nag suñu commune maire bi dafa def ay euh, comité de veille et d'alerte si gox bu nekk si gox bu nekk ku si nekk wax nañu la veille ak alerte loolu xam nañu lan lay jariñ donc laataa ñuy wax appui aux denrées alimentaires dañuy wax veille ay alerte parce que si Sénégal gi ñu nekk ñëpp xam nañ prévention rek la am am nañu dëgg naam de santé bu nga xam ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen rendre hommage mais tamit nit ñi ñu doon ñun ñoo leen mëna accompagner ci ciono gi ñu nekk te dimbali leen moy ñu jël les mesures barrières phare téye ko mais ku nek génnee sa citoyenneté ak sa patriotisme nga xamni man kase dama war a sama gox dama war a ba sama koñ bu mu am Covid 19 té lolu ci anam yépp la moy d'abord abord port des masques mais am na ñoo xam amuñu masque ñun ñu ne nañu xool ni ñuy def pour HLM 5 ñëpp di sol masque donc tay képp ko xam ne sol nga alhamdulilah mais ñi nga xam soluñu masque te même ñi nga xam sax soluñu masque jox leen leen ay masque jox leen leen jumtukaay jox leen ay gel euh, gel euh, gel alcoolique mais surtout di leen wax nañu raxasu moo tax aussi ñu am euh, ay bari ay bassines yu nga xam ne war nañ ko def ci ay point pour que fii tamit ku mën a romb nga raxasu donc di nga romb raxasu mais obligation lay nekk pour nga takk masque après tam aussi dinañ xool mesure yu gën a sévère mooy même bu ñu war a taxaw def ay barrières ni ku fiy dugg da ngay sol masque da ngay raxas sa loxo mu set ba pare ñu mën la wax yóbbu la ci Covid 19 nga yóbbaale ko je pense que lolu amna solo et su euh, ko kenn si ñom amé lu nga xamné ne mën nañu ko yok en tant que élu local wala ko ci xam parce que c'est important groupe lañu donc entité lañu ñi nga xamné ñu fi nek di liggéey di leen remercier aussi ku ci nek parce que boobu ak léegi ku nek ku nek ya nga bayyi sa liggéey di wax ni aussi tamit euh, le maire de la commune war nañ ko war nañ ko wax jërëjëf aussi parce que si comité de veille yi lépp lu nga xam ne ñu ngi ko koy wax di ko ko xalaatal mu ngi koy jël en compte motax tax wax marché bi tamit wax nañ ko li nga xam ne jox na arrêté delu ci nañ ci yooyu yëpp wax nañ ko mais aussi tam di remercier aussi le ministère de la santé mi nga xam ne sonn nañu wax pare tamit accompagner nañu aussi ba nga xam parce que li ñuy def aussi ñom ñi seen loxo fa la jiitu mais day wone ni so gisee ñu nek au niveau local ñun ñu nek leader national tax au niveau local parce que xex bi tamit ci gox yi la tey national bi amna na lu ñu lu ñu nekk di liggéey mais liggéey bi nga xam c'est physique c'est humain nit la te nit ku nekk da nga am gox mooy dëkk donc li ñu mën a xam mooy nit foo mënti doon ak foo mënti toll dayoo boo mënti am ñun jàpp nañu au niveau de ce comité là dañu war delloo ñun ñëpp dellu suñu citoyenneté bokk ko kenn amul noo toll kenn amul dayoo tey li ñu xam rek mooy ñun ñëpp habitant HLM 5 lañu te ci loolu lañu nekk ci loolu la ñuy liggéey boobu tey. dañuy rafetlu aussi conseil municipal yi nga xam ne aussi batte euh, nañ ko sax d'ailleurs avec euh, difficulté ferme parce que il fallait être là te 56 conseils dajal leen yombul mais quand même ñu def ko pour ñu mën a voter voté nañu effectivement 202 millions pour euh, force Covid 19 bi ñi am ci lu nga xamni euh, dañ ko yóbbul euh, alimentaire bi moy kit yi nga xam won nañ ko def 169 millions ak li nga xamni aussi dañuy joxe suñu jumtukaay suñu structure de santé yi ak lepp li nga xamni ne jumtukaay la ci gox yi parce que quartier par exemple dinañ gis li ñuy laajte ay xalé yu nga xamni am nañu bëgg def dañuy dem ci commune ñu jappal leen mais surtout aussi moy li ngay laaj xamna naa sûrement mooy les denrées alimentaires légui nak ci accélération bobu xam nga mirum koppar man par exemple li ma yor lu ma neex laa koy defee heure bu ma neex laa koy génnee si anam li ma neex laa koy génnee mën na gaaw mais li nga xam ne ñëpp a ko bokk dañ koy dañ koy génnee ci anam yi nga xam ni dafa wóor te tegu ci yoon benn bi mooy xaalis bu mënti génn foo ñu wax ñi fan lañ koy def lan lañ ci war a def ba pare ñu dellu si siwaat ni lii lañ ci def ñun xam nañu déjà am na pàcc bu nga xam ne dañ ko yóbbu ci santé bi jënd ci ay jumtukaay yóbbu ko am na lu nga xam ne nag moom lañ desal pour que su yëf bi gën a aussi ñuy mën jël jàppale askanu aslam te fas yéene jàppale askanu aslam ñëpp mooy kuy da am njël parce que boo nee jàppale ñëpp day mel ni ku nekk ku yow aslam da nga koy jàppale mais ku am njël ci aslam fas yéene ko def mais yàlla dafa def aussi tam mu am benn réalité bu nekk beneen mooy état dafa ñëw tamit am lu mu def ville de Dakar ñëw jàpp si commune am lu mu def léegi comme euh, nit yi tam dañuy solidaire parce que gis nañ ñu nga xam ne état dina leen jox par force mooy ñi nga xam ne état dafa jàpp dañu vulnérable mooy ñi am euh, bourse familiale ñi nga xam ne mës nañu laaj sax benn aide jox nañ leen ko bañ leen ko jox ñu ngi registre national unique ñooñu état daf leen di jox donc commune bi décidé ba bañ wax ko si préfecture nag décidé et jël engagement ni fu état yam moom dina mottal yëpp ba mat mooy il faut ñu xaar jamono bi kon état def ba pare te état pour mu def jamono bi mu ñu waxee nii ñu ngi nekk si liggéey ciblage dañu joxe ñoom benn quota pour les bourses familiales benn quota pour le registre national unique am beneen quota bu ñu jox ñun par exemple si suñu quartier ñu am 2239 au niveau de la commune ñu xool tam les autres vulnérables ñu mën leen dugal donc liggéey boobu buñ ko defee ci comité yi par exemple il faut ñu signé ko ak délégué ak ñun ñu wëlbati ko yóbbu ko au niveau de la commune ñu valider mu yóbbu ko sous préfecture valider préfecture région ba mu demaat ci état parce que yëf état la état wàcce waat ko sur le même euh, euh, yoon ba mu egsi waat si ñun ñu delluwaat ko si comité quartier yi ñu woote nag ñu ne naka lañ joxe ndàmpaay léegi suñ si paree nag commune yi nag ñii ñëpp am mais sama si sama askan yi am nañu amul ñooñu tam dinaa leen defal ay kit ba nga xam ne ñoom itam dinaa leen mën jël en charge donc liggéey bi transparence boobu nga xam ni moom la askan wi laaj je pense que moom moo ko yeexal